Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour commémorer, comme tous les gens depuis sept ans, l'anniversaire de la victoire des forces musulmanes et africaines dirigées par l'Allemagne et avec ses illustres compagnons Al-Bouri, Ladjor, Biran Sissé, Kumba Fode Kaba Dumbuya, Lassana Sanya Difoni et la famille de Serigne Mahmour Antesali, Sali, Mamoudou Nias qui est le père de Elagi Ablaï Nias, et les familles de Longor et toute la Sénégambie. À ce jour symbolique, nous rendons hommage à ceux qui ont combattu, mais sans oublier les braves qui sont morts ici au nom de l'islam et de la liberté. Ici même, Pate Bayan, nos ancêtres, à leur tête l'Almami Mabadjahouba, ont combattu les forces françaises et leurs idéologies barbares et destructives qui étaient le colonialisme. Le 30 novembre est une victoire des forces sur les forces impérialistes, sur une dictature des hommes étaient différents, souvent opposés, mais qui ont décidé d'unir leurs forces pour défendre la liberté, la dignité, mais surtout l'islam. Il y avait tout le monde, des Wolofs, des Peuls, des Serrers, des Tidjans, des Khadres. Mais surtout pour dire que le Sénégal, à chaque fois qu'on est un seul, on gagne. Et la Coupe d'Afrique en est une. Le colonialisme est l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité, plus particulièrement de l'Afrique. Venir ici avec vous, c'est se rappeler que cette victoire du 30 novembre est d'abord source d'inspiration et de prière pour nos juristes ancêtres. À la fin des années 80-90, j'avais un professeur qui a parlé tout à l'heure qui s'appelait Nchembaï, qui a formé une troupe théâtrale qui s'appelait Masada, dont je jouais un rôle important dans la bataille de Paoskoto. Et aujourd'hui, au retour, je dirais, de quelques années, deux ans ou trois ans, on a mis sur place une ASC qui, qui se nommait Pate Bayan. Donc l'envie de fêter ça était dans nos cœurs depuis l'âge très jeune. Dès 2014, élu comme maire de Pao nous avions initié cet anniversaire en parfaite collaboration avec la famille de Mama dont le porte-parole est là, notre père, notre oncle, Mamour mais permettez-moi de rendre un vibrant hommage à mon père Babakar Ndjouba et Malik Rokhiba qui n'est pas là aujourd'hui et je dirais le gardien du temple Ba, Malik Ba et toute la famille. Monsieur le ministre, je vous rends un hommage vibrant docteur Aliou Vous êtes le ministre de la culture et du patrimoine historique. Vous êtes un ami depuis que vous êtes à la tête de ce ministère, tous les sites historiques du Sénégal vous ont senti de votre appui et de votre soutien. Donc, je vous dis encore merci et des prières. Vous êtes un homme loyal, un homme qui aime le Sénégal, un patron tout court. Mais sans oublier de remercier un fils de Nyoro, un descendant de Baba le ministre Moustapha Ba. Chaque année, il n'a jamais hésité d'un appui, je dirais financier et logistique pour réussir cette journée. Donc merci au ministre Moustapha Ba et au maire du qui a contribué aussi à sa manière à cette journée. Donc merci au grand frère. Je veux finir en remerciant d'abord ANER. Pourquoi ANER, ANER l'agence chargée de l'électrification rurale, Monsieur le ministre et Monsieur le gouverneur depuis que monsieur le ministre vous avez dit, son DG Tamsir Ndiaye a donné instruction pour qu'on amène des lampes lampadaires sur ce site. Et après, j'ai eu à contacter le DG de la Sénélec qui a promis aussi d'électrifier ce village Kerkab et ce site avec la fondation Sénélec d'aider les femmes et les jeunes à des unités de formation ici. Monsieur le ministre, comme nous l'avons dit, jot nga instruction ci président Macky Sall ñu war a clôturer site bi yëpp war fi defar ay toilettes war fi defar jàkka courant bi ñëw fi ak Senelec wax naa mais jël nga ay disposition wax ñu ne Tata Maba jaxuba niko ni président waxee nga def ko ak ministre des finances dinañ ko restaurer inshallah. donc ñu ngi gërëm bu baax le président Macky Sall di gërëm son premier ministre mais yow nga am mané spécial parce que nit ku bax nga barki dem rek nga jógee deukalé xamna li nga fa def li nga organisé ci fes man fes nag Kaffrine ren mu nek Fatick gis nañ ko donc nañ la ñaanal bu baaxa baax ba paré comme ni nga ko waxee ngoon aussi nga indi lu masul am ci département bi indi Sorano yëpp di nga profito ma remercier sa délégation ak directeur Sorano pour ñu jouer la bataille de Pathé Badiane au stade de Paoskoto di nuyu famille yi fi nek yépp famille yëpp ku ne muy famille Lat Dior famille Albouri famille Birane Cissé famille Goumba Gaye ñu ngi nuyu ñëpp.